والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore ici, dans cette mosquée, ici à Al-Mustaqbal, pour la suite du, du, du, tafsir de son Coran. Nous sommes aujourd'hui au dixième jour du mois de Ramadan, l'année 1444, ce qui est toujours au deuxième jour du premier, du premier jour du quatrième mois, l'année بالممنوع لا بالجرير يا أبب لا بالمسلم الله سبحانه وتعالى المسلم أربي على فين إلى سورة سورة النساء سورة الفم Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec la cinquième surah, surah al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala nous prions de nous guider dans le tafsir de cette surah et et dresser notre langage, notre propos dans les tafsirs des différents versets de cette, de surah. Et tout ce que nous allons connaître comme des erreurs, des fautes dans les tafsirs, des versets de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Mes chers frères à l'islam, nous voici devant la nouvelle surah Surat al la table servie, la cinquième sourate du, Saint-Coran. La cinquième sourate, donc qui vient après la sourate al-Fatiha. Donc la première sourate, c'est la sourate al-Fatiha. La deuxième, c'est sourate al-Baqarah. La troisième, c'est sourate al-Imran. La quatrième, c'est sourate al-Nisa, dont nous avons fini le tafsir hier. Donc sourate al-Fatiha, sourate al-Baqarah, la vache. Surat Al Imran, la famille d'Imran, Surat Nisa, la, la Surat, Surat Nisa, Surat qui parle des femmes, des êtres faibles et des vieillards. Donc Surat Nisa, Maïda. Donc nous allons faire une petite interruption avant de commencer le tafsir de cette Surat. Donc la première, c'est la cinquième sourate, comme nous venons de l'expliquer. La deuxième chose, cette sourate, avec l'unanimité des éléments, est une sourate médinoise. Sourate médinoise, c'est-à-dire sourate qu'Allah a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Médine. lorsque nous prenons euh, les sourates du Saint-Coran, les 114 sourates, les sourates sont divisées en deux il y a les sourates révélées à la Mecque et les sourates révélées à Médine. Les sourates qu'on avait révélées au prophète Mohammed lorsqu'il était à la Mecque, donc avant l'Égypte, on appelle ça Makiya. Donc sourates qu'on a révélées sur le prophète lorsqu'il était à la Mecque. Donc sourate Madaniya, lorsqu'il a, est, euh, a émigré, il a quitté la Mecque pour Médine. Toutes les sourates qu'on a révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça les sourates madaniya, donc sourates médinoises. Et des ulmans disent que les sourates qu'on appelle madaniya, ça peut ne pas être révélé à, à Médine, à la ville de Médine, ça peut être révélé à la Mecque. Donc tout ce qui a été révélé après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont appelés madaniya. Donc cette sourate, sourate al-Maïda, avec l'unanimité des ulémas, et tous ont dit que cette surah est surat madaniya Donc surat, on a révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est à Médine ou bien après l'émigration. La troisième chose, nous allons parler du nombre de versets de cette, de cette La sourate comporte 120 versets. 120 versets dans cette sourate. Même s'il y a ici les points les différents points de divergence des, des Les Des al cest c'est-à-dire les habitants de Koufa, donc en Irak, disent que la sourate comporte 120 versets. Mais pour Hijaziyoun, donc les gens qui habitent à, à l'Arabie ou bien à Médine, à la Mecque et tout ceux qui les entourent, disent que le verset de cette sourate est 122. Mais les gens, les habitants de Basra, donc Basra, toujours en Irak, voient que le, nombre de versets de cette sourate est égal à 123. Donc, de toutes les façons, la sourate comporte 120 versets comme ce qui est, comme c'est noté ici dans le Coran que nous tenons. Donc 120 versets. La sourate, sourate maïda la table servie, a plusieurs noms. Et le nom le plus populaire, c'est suratul maida table servie, comme c'est mentionné même dans le Saint-Coran. Il y a des autres attributs ou des noms qu'on donne à cette même surat Ici, les humains disent que la surat est nommée suratul maida parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raconté l'histoire et table servie avec les disciples de Jésus-Christ, alayhi salatu à la fin de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala a dit إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من sama Les disciples de Jésus-Christ, Isa alayhi ont demandé leur prophète, Moussa et euh, Isa, en disant Est-ce ton Seigneur peut faire descendre une table servie du, du ciel vers nous et Allah subhanahu wa ta'ala a surnommé cette surah, surah al-Ma'ida. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as Cette surah est surnommée aussi surah al-Uqud. Al-Uqud, c'est l'engagement ou bien un impact. Parce que c'est la, seule surah dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert cette surah avec comment l'appel à le haut respect de l'engagement. C'est la seule surah où Allah a appelé les croyants de respecter leur engagement dans le Saint-Coran. Et la sourate a commencé bien sûr par Ya amanu awfu bil où les croyants euh, remplissent fidèlement vos engagements. Et cette sourate aussi est appelée Al-Munqidha, sauveur. La sourate qui sauve des gens aux mains des anges, il châtie les gens. Al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah a dit وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال Il est rapporté du prophète Mohammed que la paix et les saluts d'Allah soient sur lui a dit Surat al al-mulkida Surat al-Ma'ida est appelée au 7e siècle Allah al cette sura euh, sauve l'homme qui la lit des mains des anges qui châtient les gens. Donc c'est la quatrième des choses. La, cinquième chose, la relation entre cette sura surat al-Ma'ida et la surat précédente. Surat, surat al-Nisa, surat les femmes. Les éléments ont dit la relation qui existe entre les deux surat est que comme Imam Al-Alus a dit dans son tafsir, Surat Nisa Karishita malat ala iddat uqud. Surat les femmes, euh, comment rappelle-t-on euh, euh, comment, euh, On a rapporté certains des engagements de cette surat. Par exemple, l'engagement au niveau du mariage, impact au niveau du mariage, l'engagement au niveau du de la dot qu'on donne au moment du mariage. De la même manière, nous avons parlé, surtout dans la, soirée passée, donc nous avons parlé du mariage, nous avons parlé de la, de, dot qu'on donne au moment du mariage, nous avons parlé aussi des, engagements que l'on prend par serment. Il dit Wallahi, je vais faire tel je ne fais pas, je ne ferai pas tel. Nous avons parlé, c'est un engagement que l'on prend. De la même manière, il y a l'engagement euh, de la paix, l'engagement qui consiste les choses qu'on donne à garder, donc à l'ouadia. De la même manière, la responsabilité. De la même manière, euh, euh, des choses qu'on emprunte chez les autres. Donc tout ça, là, ce sont des engagements. Donc la relation qui existe entre cette sourate et la sourate précédente, sourate Nisa, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert cette sourate en disant « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil aux pour les croyants. Allah subhanahu wa appelle le Coran en disant de respecter l'engagement, respecter fermement l'engagement, c'est-à-dire l'engagement qui a été pris dans le Toussura, tout ce qui était comme engagement, nous avons lu, nous avons fait le tafsir. Donc tous ces engagements-là, Allah subhanahu wa nous appelle à respecter cet engagement avant de continuer la nouvelle sourate. C'est ce que certains musulmans disent. Donc, Ya ayyuha amanu, awfu bil-uqud, uhillat lakum al-anam. La sixième chose que nous allons parler dans, cette euh, introduction, il y a beaucoup de versions qui disent que cette sourate a été révélée au prophète au complet. Donc ce n'est pas comme d'habitude où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des versets, c'était des versets quelque part, ou de temps en temps jusqu'à la sourate devient au complet. Donc certains musulmans disent que cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate en sa totalité. Il a révélé la sourate en, sa totalité sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si d'autres, les autres, euh, comment, certains musulmans ne voient pas ça, que nous allons voir par après, Inch'Allah. Parmi ça, c'est que Imam Ahmad a rapporté de la part de Asma bint Yazid. Asma bint Yazid dit إني لآخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى إذ نزلت عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق عنق الناقة أسماء بنت زيزين قالت أدي je tenais la corde du, du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète allait était sur le chameau, elle tenait la corde, elle marchait, Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la surah, Maïda, cette surah sur lui. Donc, la totalité de la surah, elle a dit Nazalat alayhi al ma'ida kulluha, faqalat min Il reste un peu seulement, à cause de la, du poids de cette surah, le chameau a failli, a dit ça a failli couper le, le, le, cou des chameaux. Et le prophète alayhi salam est descendu sur le chameau. Parce que la sourate pèse tellement que le chameau ne peut pas supporter le poids de cette sourate. Selon Imam Ahmed toujours, il dit, mais cette fois-ci de la part d'Abdullah ibn Amr, il dit, ala على sallallahu alayhi wa sallam surat al Maida, wa huwa راكب ala rahilati. La sourate Maida, cette sourate, la cinquième sourate, a été révélée sur le prophète alayhi wa alors qu'il était sur sa monture. Falam تستطيع an tahmilahu » et le chameau ne, pouvait pas supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la révélation de cette sourate. Voir le poids de cette sourate. Et le prophète, il est descendu sur le chameau. mais il y a d'autres révélations qui, disent, il y a d'autres versets qui disent que la sourate n'a pas été descendue, n'a pas été révélée en sa totalité sur le prophète alayhi salatu ça a été révélé comme toutes les autres sourates. Puisque nous allons voir que dans cette sourate, il y a des parties ou des versets que des musulmans rapportent que ces versets-là ont été révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à certaines des occasions. Et ils ont montré le lieu ou le temps, ce verset, certaines des versets ont été révélées sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que la sourate n'a pas été Révélé au prophète en sa totalité. Mais on peut dire que la grande partie de cette sourate a été révélée sur le prophète lorsqu'il était sur, sur sa monture. Mais certains versets ont été révélés au prophète lorsqu'il était dans cet euh, endroit. Imam as dans son livre Al-Itiqan fi Ulum al-Quran, a dit lorsqu'il parlait de l'un des voyages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Yoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati faraditu lakum al-islam دينا il dit Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة أم حجة الوداع cette partie où le verset اليوم أكملت lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset sur le prophète dans la soirée du jour de Arafah, c'était un jour de vendredi. Et il y a aussi une version qui dit Ayatul Tayammum, puisque dans cette verset, Allah a parlé euh, du verset où il dit il a parachevé, donc il a fini de faire descendre la révélation sur le prophète pour les versets coraniques. Dans cette même verset, Allah a parlé de la révélation avec la terre, avec le sable. tayammum en cas de manque d'eau Allah subhanahu wa ta'ala a dit ya ayyuhal ladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum non fa in lam tajidu ba tayammum donc il est venu dans Sahih Bukhari de la part de Aisha radhiyallahu anha a dit انها نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينه dakhilun al cette partie où le verset est révélé sur le prophète alayhi salatu dans le désert au moment où le prophète alayhi salatu est en train en train de, rentrer dans la ville de Médine. Il dit Après avoir terminé la bataille qu'on a, nommée bataille des Mauriciens. Donc après cette bataille euh, contre les associateurs ou les mécréants. Et il dit Fiba comme c'est venu dans les autres versions. De la même manière, Allah subhanahu wa a parlé dit Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala qui va te protéger contre le mal des hommes. Il dit faqad Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset dans la bataille de dhat riqa qu'on appelle dhat » Donc ces versets, un peu de ce que nous avons cité et donner leur lieu et la descente des révélations montrent que même si certains disent que la sourate a été révélée tout entière Professeur prophète alayhi wa mais ça ne voudrait pas dire que certains versets, à l'exception de certains versets, si on peut le dire comme ça, même si certains voient que la totalité de la sourate, a la sourate a été descendue au total, euh, au professeur Allah, certains des humains disent que oui, on peut l'accepter comme ça, mais il faut dire que ce n'est pas au total, mais la majorité de ces versets il y a certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa dans certains endroits. Donc qui ne voudrait pas dire que c'est en totalité qui a été versé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, wa sallam. Donc ça c'est la sixième chose. Donc après ça, nous allons commencer par le tafsir de, de, de cette sourate donc la cinquième sourate du, Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bala a'udhu billahi min ash-shaytan ar rajim, bismillahi rahman ar rahim, ya ayyuha alladhina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله les signes des sourates révélés à Médine. Les musulmans disent qu'il y a des, signes ou des versets spécifiques qui montrent lorsqu'une sourate est révélée à Médine, il y a certains versets qui vont se répéter. Si c'est à la Mecque aussi, il y a un verset qui se répète. Si les sourates révélées à, euh, Médine, Allah subhanahu wa ta'ala répète Ya y amun. Oh vous qui avez cru Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, vous allez voir l'appel euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants. La sourate qui est descendue à la Mecque pour révéler sur le prophète à alayhi parle toujours, vous toujours, euh, comment rappelle on les versets par Ya Nas, Ô hommes, ô les gens. Donc cette sourate, c'est la différence entre la, sourate révélée à Médine et à la Mecque lorsque la sourate comporte beaucoup de Ya Nas, oh les hommes, oh les gens, cette sourate, c'est un, une sourate révélée à Médine, pardon, à la Mecque. Mais lorsque nous entendons Ya Ayyuhalladina Amanu, Ya c'est une sourate révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Lorsque nous allons voir dans la sourate, sourate, sourate Nisa, la sourate a commencé par Ya Ayyuhannas, Oh vous les gens, craignez votre Seigneur. Et dans la sourate, nous allons voir bien qu'il y a certaines fois Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens, appelle ceux, les croyants en disant Ya amanu, mais nous allons voir la plus grande partie. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ya ayyuhannas, Ya ayyuhannas. Surtout dans la, dans la partie, dans vers la fin de la sourate, nous avons parlé de Ya ayyuhannas plusieurs fois. Et la sourate Médine, Ya amanu, ça a commencé. Et nous allons voir plusieurs Ya ayyuhallazina amanu dans cette sourate. Donc, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de des, croyants, il les a appelés à respecter l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sourate a parlé du respect de l'engagement que les gens prennent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens prennent entre eux-mêmes, que les gens prennent vis-à-vis de leur propre art, de respecter cet acte et de respecter cet engagement. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé après le respect de l'engagement, il a parlé des choses licites, des nourritures licites et illicites. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé de la prière. La prière qui est l'aliment de, de l'âme, l'aliment principal de l'âme, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a ordonné aux gens d'aller à la prière avec la purification. Il faut se purifier avant d'aller prier, euh, avant d'aller accomplir cette grande adoration qui est la prière. Et Allah nous a montré dans cette même sourate qu'il ne veut pas, derrière cette adoration, derrière, euh, cette persécution, euh, la fatigue ou bien le châtiment des, autres. Non, il ne veut que du bien, il ne veut que, euh, comment le, le bien pour les serviteurs, ses serviteurs. C'est pourquoi il a prescrit ces différentes sortes d'adoration. De la même manière, Allah subhanahu a ordonné dans cette sourate d'être véridique envers soi-même, d'être véridique avec un ami, d'être véridique envers, envers euh, un, ennemi. Parce que ce n'est pas parce qu'il est ton ennemi que tu ne, tu, ne vas, tu ne vas pas dire la vérité. a aussi, quelque chose se passe entre toi, même si c'est ton ennemi, tu ne peux pas cacher la vérité. La sourate a parlé de ça, d'être clair envers toi-même, envers tes amis et même envers tes ennemis. Et la sourate aussi a parlé des gens du livre, comme ça a été le cas des sourates Nissa. C'est pourquoi nous, allons parler du rapport entre les deux sourates. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens du livre, il a parlé des juifs, il a parlé des chrétiens, il a parlé de l'histoire de Jésus-Christ, comme ça a été, euh, euh, comment on la sourate de la sourate Nisa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi a exhorté dans cette même sourate aux gens du livre de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est le dernier des prophètes et son arrivée à, euh, comment rappelle à à effacer tout ce que les autres ont amené. Donc, au temps du prophète, c'est lui qu'on doit suivre. Quand un prophète vient, c'est le prophète, c'est ce prophète qu'on doit suivre. Comme le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc, tous les adeptes des religions doivent laisser tout ce qu'ils adorent, adorer auparavant et suivre le prophète Mohammed alayhi wa, sallam. La sourate aussi a parlé de, de, l'histoire des fils d'Adam, les tout, les tout, les tout premiers euh, fils qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mené sur cette terre-là, à l'issue de l'union de notre mère Hawa alayhi salatu et notre père Adam alayhi Il a parlé de l'histoire de ces, deux enfants. Et comment ça a été, l'orgueil a été entre eux et le tout premier sang qu'on a versé sur la terre, c'est-à-dire la toute première tuerie qu'on a connu sur cette terre, c'est commencé entre ses fils. La sourate a parlé de ça également. Donc il a parlé de l'orgueil de l'un de ses fils sur l'autre, jusqu'à ça l'amener, ça a mené l'autre, ça a poussé l'autre à le tuer. Et dans cette même sourate, Allah a montré comment inhumer, comment enterrer un être humain. Parce qu'après avoir tué son frère, alors il a regretté. Voilà le corps sans âme. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce corps est-ce qu'il faut le laisser Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé deux, comment on appelle deux gourab. Gourab, c'est, comment, comment, on appelle ces oiseaux-là Pour deux corbeaux. Donc ils sont battus, l'un a tué l'autre et c'est celui qui est. L'autre a, il a, il a, comment on il a, il a pesé le sable, la terre, pour fermer sur l'autre. Et c'est en ce moment qu'Allah a montré comment inhumer, comment enterrer un autre humain. Donc c'est ça, Allah a raconté l'histoire ses du fils d'Adam alayhi salatu salam Donc nous allons voir, sans toutefois dire tout ce que le surat a parlé, nous allons revenir, commencer par le tafsir de ce euh, surat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil Ô vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements. Awfu bil Uhillat lakum bahimatul an'am. Vous est permise la bête du cheptel illa ma yutla alaykum sauf ce qui sera énoncé comme interdit pour vous غير محل wa وانتم حرم ne vous permettez pas ne vous permettez pas ou ne vous permettez pas la chasse alors que vous êtes en état d'ihram donc وانتم حرم inna allah yahkum ما yurid Allah subhanahu wa ta'ala en vérité décide ce qu'il veut donc awfu bil alors al courant, engagement ici c'est l'engagement qui qui concerne c'est que l'on prend vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qu'on a tous pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'engagement entre lui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui adorer, lui vouer un culte exclusif et de ne pas lui associer que que ce soit dans l'adoration. C'est ça l'engagement. Tout ce qu'on a pris, euh, tout, l'engagement qu'on a pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa on doit respecter. Donc on doit prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit gêner pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aller à la mer à cause d'Allah subhanahu wa tout ce que nous allons faire, nous allons faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'engagement. Donc prier à temps, prier dans la mosquée, prier dans le public. C'est cet engagement que nous avons pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salatu il a rassemblé toute sa descendance sous forme d'un atome derrière lui. Et il a pris l'engagement vis-à-vis de tous les fils d'Adam. الله سبحانه وتعالى دي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون بس الله سبحانه وتعالى أنفاي باردون أرسمبلي لتوت لي ديسندانس du prophète Adam alayhi salatu wa donc nous tous sur le dos d'Adam comme euh, comment on appelle le euh, le poids d'un atome comme ça et il a dit taala n'est-ce pas Suis-je votre Seigneur, votre Créateur Et on a dit bah oui, bien sûr, tu es notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit J'ai fait cela pour que vous ne dites pas le sujet de la révolution. nous nous avons oublié ça. Donc on ne connaît pas ça. Et c'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et des prophètes sur la terre pour nous rappeler cet engagement que nous avons pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis avant notre création. Donc c'est ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle ici de respecter cet engagement. respecter cet engagement et l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'engagement aussi entre nous. Donc s'il y a quelque chose et qu'on prend l'engagement de faire, entre nous, il faut respecter il faut respecter. Ne trahissez pas notre engagement. Ne prends pas un engagement ou un pacte avec ton frère, après tout tu le trahis ou bien tu fuis la, ta responsabilité. Donc, une fois que, avant de prendre un engagement, on ne t'oblige pas de le prendre. Mais une fois que tu acceptes de le prendre, alors tu es obligé d'accomplir, tu es obligé de, de respecter cet engagement. L'islam ne te force pas de faire un pacte, on ne te force pas de prendre un engagement. Mais une fois il faut prendre, une fois que tu as pris un engagement avec un de tes frères, il faudrait que tu respectes l'engagement. Une fois que tu prends l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois respecter cet engagement. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, comme des adorations, comme euh, des prières et autres choses, c'était donné aux montagnes, aux cieux, à la terre, et tous ont refusé de prendre. Et que c'est nous, les fils d'Adam, qu'on a accepté de prendre. Donc si on a accepté de prendre, nous allons respecter cet engagement. الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها الله سبحانه وتعالى لوسكيلا لوسكيلا لوسكيلا بريزنتي ديز ادوراسيون الأمانة Mais wa hamala hal insan, un homme a accepté de prendre. Donc si tu acceptes de prendre, il faut respecter l'engagement. Donc Allah nous appelle de respecter cet engagement. l'engagement entre nous et Allah nous allons l'adorer, nous allons adorer, nous allons lui faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut. Donc on va l'obéir du petit jusqu'aux grandes choses. Et il dit, de la même manière, entre nous, si on prend un engagement, on prend un rendez-vous, il faut respecter. Allah subhanahu remplissez fermement, fidèlement votre engagement. Imam Foutubi a dit, c'est l'engagement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala et l'engagement que nous prenons entre nous-mêmes. Donc il dit tout cela revient à ce verset. Et il a dit, le prophète a dit, Les croyants sont au niveau de leur, leur engagement. Allah subhanahu wa ta'ala a permis les bêtes les chaptels. Ici, les bêtes les chaptels, Allah subhanahu wa ta'ala montre les animaux ou la nourriture qui nous a permis de consommer. Les nourritures qui sont halal, comme les éclaircissements vont venir au troisième verset de cette sourate. Bahimatul Anam, ici, c'est tous les animaux qui concernent les chameaux, les ovins, les bovins. Ce sont eux qu'on appelle Bahimatul Anam, les animaux, les bêtes du cheptel. Donc, les chameaux, les ovins, les bouvins. Tous ces animaux-là sont halal pour nous. Ils ne sont pas interdits. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit ces animaux pour nous. Et de la même manière, on peut aussi, en dehors de ces animaux, on peut parler aussi de, tout, animal qui, broute, les herbes. Tout animal qui broute les herbes, c'est un animal halal pour les musulmans. De la même manière, on peut parler de tous les oiseaux. Ce sont des, des, des êtres aussi sont halal pour les hommes, pour les musulmans. Donc, donc on peut introduire dans ces animaux où Allah subhanahu nous, a permis de consommer les chameaux, les ovins, le bovin, les oiseaux, mais il y a des exceptions. Comme la sourate, euh, le, verset 3 va donner des exceptions parmi les animaux qui nous sont interdits. Donc, que ce soit les animaux domestiques ou bien les animaux sauvages. Donc, les oeufs domestiques ainsi que les oeufs sauvages. Les bœufs domestiques et les bœufs aussi sauvages, nous avons les consommer. Donc, c'est halal pour nous. Donc, nous avons des animaux et aussi des oiseaux, mais à l'exception des oiseaux qui ne, qui ne, font pas de chasse, qui ont des, griffes et qui chassent les autres, animaux, les autres animaux pour manger. Ces animaux sont en exception. Mais tout, oiseau donc, euh, qui, ne, fait pas de chasse, c'est un, animal euh, ou c'est un oiseau qui est halal pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa ma yutla alaykum. Donc, sauf les animaux comme vous avez interdit. C'est ça, yutla alaykum. Donc, illa ma yutla alaykum. Sauf les animaux qui sera énoncé ou bien des animaux qui vous seront interdits. Ça veut dire que ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé des animaux interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a énoncé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interdire ou bien va faire des révélations sur les animaux qui seront interdits pour les musulmans. Soit par une autre révélation coranique ou bien par une révélation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce nous allons voir par après qu'il y a certains des animaux, c'est le prophète Mohammed sallallahu avait interdit Donc, par hein, la, révélation. Donc, puisque le Coran et la sunna du prophète sont tous des révélations. Puisque le prophète ne dit pas des choses de ses propres gré. Il ne dit pas des choses par lui-même. Tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de, la, de sa bouche, comme la religion, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf ce qui sera énoncé pour vous, comme interdit. Donc ça serait, euh, ça va venir par après. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ces animaux qui nous sont permis, la, permission, nous allons manger les chair, nous allons manger tout ce qui possède, hein, tout ce qui est mangeable dans l'animal, nous allons manger. Et nous allons prendre aussi les laines ou les peaux, si on peut le dire, dans certaines choses que nous voulons dans notre vie. Donc si quelque chose est permis pour un musulman, donc c'est la chose tout entière qui est, qui est permis pour un musulman, sauf l'exception que le Coran ou la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam font sur cette chose-là. Sinon, si on dit par exemple la bête ou bien le, par exemple, le, euh, comment euh, le bœuf, il n'y a pas quelque chose qui est interdit dans la chair du bœuf. Tout est consommable, sauf ce que la sourate ou bien la, la, la sunna a donné comme exception. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram ihram c'est au moment où un homme qui fait le pèlerinage qui accomplit le rite de pèlerinage et hajj lorsqu'il porte son ihram c'est cette toile blanche ou bien tissu blanc qu'on couvre le corps avec lorsqu'on commence le rite de hajj et umrah donc, une fois que l'homme porte ses toiles blancs, ou bien il porte ses, tissus blancs, il y a ce qu'on appelle mahzurat al-ihram. Ce que, que interdit. Même si c'est des choses permises par l'islam, c'est halal, mais une fois que tu portes cela, on t'interdit de faire, de manifester certaines choses ou bien de te rapprocher de certaines choses. Lorsque tu portes ihram. Donc, غير محل rentrer وأنت الحر donc, ne vous permettez point la chasse. Ici, la chasse des animaux. Lorsque vous permettez. lorsque vous portez cet ihram, on vous interdit de chasser un animal. Je ne sais pas par le passé, mais aujourd'hui, je ne sais pas où tu vas avoir un animal pour chasser. Voilà. Donc, cela est interdit. Ne soyez pas dans votre ihram et vous allez, vous allez faire la chasse. Vous mangez, non. Cette chasse, bien que c'est une chose licite en islam, l'islam ne nous a pas interdit de chasser les animaux permis. A dit donc la, chair comment appelle-t-on L'islam nous a permis de consommer la viande ou la chair de cet animal. Ce n'est pas haram de chasser. Donc lorsque nous, chassons, nous allons en consommer. Mais une fois que nous sommes dans le ihram, il est interdit pour nous de, de faire la chasse pour manger la viande de cet animal. Donc, une fois que nous avons cet ihram, c'est haram de faire. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes à l'Ihram, il faut vous concentrer dans l'adoration d'Allah subhanahu dans tout ce qui va vous amener l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous, comment on ne vous, ne euh, faut pas être distrait dans l'Ihram. Il faut te concentrer. Tu es venu pour une adoration, adoration, pour des adorations bien déterminées. Concentre-toi, concentre-toi, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande au moment du Hajj. Et lorsque tu te débarrasses de cet ihram, alors ce qui était interdit pour toi au moment où tu avais porté l'ihram, les choses deviennent comme halal pour toi, tu peux chasser. Mais quand tu portes ihram, alors il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont haram, qui, sont, qui ne sont pas illicites pour toi. Tu dois te concentrer dans l'adoration et non pas dans la chasse ou bien certaines choses qui t'est interdit au moment où tu as porté ihram. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر Donc, quand vous êtes en ihram, il faut respecter votre ihram, il faut respecter le lieu dans lequel vous êtes qui est la Mecque, qui est Médine, qui est euh, tout ce qui les entoure. Inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah qui décide qui, euh, comment, il décide ce qu'il veut. Donc ce qu'il veut que vous faites, c'est lui qui décide. Ce qu'il ne veut pas que vous, vous, vous faites, vous pratiquez, c'est lui qui décide. Donc tout ce qui est halal, pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Tout ce qui est haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et celui qui décide, qui décide, comment ce qu'il veut. Et tout ce qu'il décide, il ne décide que ce qui nous arrange. Allah wa ne peut jamais décider quelque chose contre nous. S'il dit ça c'est halal, quand vous allez prendre, ça ne va jamais vous nuire ou bien détruire votre santé. Lorsqu'il vous dit ça c'est haram, ne vous approchez pas, alors il faut, il faut, il faut éloigner de cette chose, sinon ça va vous détruire votre santé et ça va aussi vous amener des problèmes. Donc il décide ce qu'il veut. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut le contredire dans cette décision. Il est le seul, le seul à décider de ce qu'il veut. Inna Allah yahkum ma yurid, ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha awfu bil uqud. Donc, en premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à respecter l'engagement. Awfu bil uqud, wa hillat lakum bahimat al-anam. Dans le deuxième temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de consommer certains biens, certains, certains, euh, certains aliments. Wa hillat lakum bahimat al-anam, illa ma yutla alaykum sauf ce qui sera interdit par après. Donc Allah dans le troisième ou quatrième temps, il nous a interdit de faire la chasse lorsque nous sommes en état d'ihram. Et Allah enfin dit, il décide ce qu'il veut. Et personne ne peut contredire ce qu'Allah subhanahu wa dit. Et nous allons nous arrêter, Inch'Allah, parce que le verset qui vient, c'est un peu long. On ne peut pas entamer ça et s'arrêter au milieu de l'explication.